salut tout le monde. Dubin gaisuwa da fatan alheri <laughs> zuwa gare ku duka amunanmu na shirin Tusa Lafada wanda ke shuraren mu a duka jihohin kasar tamu. mai gabatar da wannan shirin aminiyar ku ta kullum Rabia Mai Kano. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de nos jeunes frères et sœurs, candidats au brevet de technicien supérieur d'État. Pour ce qui est des épreuves, des examens pratiques du BTS, ranar Laraba, shabakoi ga watan jiye aka fara su. ‘Yan jarabawar kuma kimanin dubu biyar ne repartis dans huit centres sur l'ensemble du territoire national, toutes filières confondues. Les épreuves écrites, quant à elles, sont prévues pour ce mardi 9 août. Une réforme particularise le BTS cette année, l'application d'un décret du 18 juin 2003 accordant l'accès à ce parchemin au seul candidat détenteur d'un bac dans quel état d'esprit vont-ils affronter ces examens Installés à l'Institut privé de hautes études commerciales, IFEC, de Niamey, nous avons avec nous comme invité Rahina Maman Sabo. Elle est euh, dans la filière GRH. Bienvenue, sur surtout fada, Nous sommes avec Suleiman Maikabi, shi comme communication des entreprises oh haka Donc, ko euh, maman bashir Chima, communication des entreprises ça va maman ça va bien yani da dama la dame. et le stress ça va oui ça va c'est bon ok top mon tare da Suleiman lui il est administrateur ça va Annie oui ça va soyez le bienvenu merci Abdourahman Moussa Zainab elle elle est GRH aussi et l'encadreur qu'on a avec nous c'est monsieur Yacoub Ladoki. Ok la fada vous le savez il y a pas de fada sans musique la rubrique qui est complètement rose cette fois-ci sur la fada nous avons également la chronique qui vont agrémenter euh, cette fada spéciale BTS Amis de la FADA, rappelons que le brevet de technicien supérieur comprend des épreuves écrites, orales et des travaux pratiques. Nous avons rencontré quelques candidats. Hein. Devant un tableau noir, la jeune Seydou Samira traite un exercice, un cas pratique de transport logistique. Elle fait partie des candidats au brevet d'études supérieures BTS session 2022. Les candidats se disent confiants pour affronter les examens. Je fais mon BTS à logistique transport. On se prépare très bien et les professeurs nous préparent des TD, ils nous forment très bien, ils donnent le, meilleur de eux-mêmes. Oui, oui, on a fini tout. Bon, les lacunes, ça ne manque pas, mais on se débrouille. Je fais la filière gestion commerciale. On prépare l'examen du BTS euh, avec les TD. On est à fond concernant les TD, les révisions. Nos enseignants, ils sont là, ils nous aident dans toutes les modules. On a fini maintenant, on fait les TD et ils nous aident à résumer le module. Pour élever le taux de réussite, les encadreurs donne le mieux de mêmes pour aider les candidats. Oumar Hassan Abdelmajid, encadreur dans une école professionnelle. Bon, l'encadrement est fini, maintenant c'est les préparatifs du BTR. Sinon, là, c'est juste les petites dernières révisions. On est d'accord En ce qui concerne les cours, ils ont été assimilés à 100%. Les TD, c'est les derniers virages. Donc, euh, je me dis que c'est juste les petits conseils de technique qui restent à faire. Sinon, l'encadrement, on est à 100%. Le nombre exact de candidats que nous avons est de 360 candidats. De toutes les façons, nous, je pense que nos candidats sont prêts. Nous, j'ai fait un défi. Nous allons dépasser le taux à quelques jours du début des examens du BTS, les candidats mettent les bouchées doubles afin de décrocher leur premier diplôme après le bac. Donc, kun shi dai wannan rahoton na abikir aikin musa gina <laughs> yanzu zan zo wajen <laughs> zainab dan quel état d'esprit tu te prépares pour ces épreuves écrites ça va ya ne kike jin wannan jarabawa da za a fara nan da kwana biyu to a gaskiya dai yanzu ça va depuis muka fara te dai muna yin exercice nous sommes là issus de 8h à 21h. Bon, on fait de notre mieux. Mon aide. Ok. Mon aide Inch'Allah, ça va aller. Comment ça s'est passé pour toi? Bien. Informatique, n'est je suis hmm, informatique. Hmm, et ça s'est très bien passé pour toi? Oui, bien passé. Ah, ça y est alors, Rahina. Dis-moi, c'était comment pour toi D'abord les pratiques Oui, les pratiques, ça va parce que tout ce qu'on a eu à faire, Mhm. duk abin da muka samu muka yi ecole shine aka kawo mana wajen jarabawar mu na informatic duk yawancin abin da aka kawo mana mun yi shi mm. kenan kawai an bige an bige insha Allah <laughs> to Allah rasa <laughs> to yanzu yanzu ake jin wannan da zasu non maintenant il y a le stress ça manque pas mais je sens que ça va aller insha Allah d'accord to mun zo da yan samarin ku kuma ya ne ah, wajen mu gaskiya da dama parce que mm. Suleiman kahin mu je sal abun da mun kai lakwal shi dai mun kai jaraba paske exercise inda mun kai ma gaskiya mai son mu duk ya muna su kuma duka yanci iri ɗaya ne aka maido mana kenan gaskiya alhamdulillah mun samu mun bige shi c'est bon alors ils sont confiants pour la suite yanzu abin da nake son sani Eh, yanzu zainab kina nan kina zancen preparative da kuke nan gai mamman bashir wuzat a kan nivo eh, cikin shirye-shiryen naku yanzu oh. ha yanzu ana nan ta karatu to muna nan gai sai rana a maraici muna nan gai mai alhamdulillah duk exercise da muke samu muna trete tun da kandida bai wasa komai ya gani a take ne insha hmm. Allah ko biska pratique informatique duk wanda mun kai ma sai presque vu même deja mu yi kawai da muka je shiga guda dai ne yan ku alhamdulillah muna shigan dai suka muku saura da saura muna nan muna yi mai akwai stress ça ne manque pas mais alhamdulillah muna Ok. Donc, okay to mu shushukan nasu ko kuma euh, monsieur yakuba ladoke ah, ah, an à naku genre ils sont vraiment euh, c'est bon quoi il y un un qui est juste là-bas. <laughs> Ah oui effectivement je suis sûr on dirait bien euh, normalement ça devrait aller parce que quand on a commencé les séances de TD mhm. pratiquement tout le monde était là le début, du début jusqu'à la fin. Donc, euh, étant donné que le programme a été achevé à 100%, les TD ont accompagné. Donc, euh, nous avons la certitude que le taux de reçu serait très bon. Et par rapport à nos étudiants, on ne doute pas. On ne doute pas par rapport à ce qu'ils ont reçu comme formation. On est confiant que

to ya ne shirye-shiryen ce bahaushe ke cewa waka bakin mai ita ta daɗi kun shi dai sosai yara su da kansu ne sun kace lalle game da tsare-tsare da aka yi da shiri na karatu duk wani abu da ya kamata a kammala an yi shi an kammala kuma wanda suka fara tun da jarabawar kamar yadda kuka hudi da turanci bisa fanni biyu ake yi akwai wanda in aka tafi ba abin da aka rubuta ba ne ba ake yi a'a shi wannan zahiri ne za a yi kamar yanzu karatu na na'ura da sun yi shi mm. idan ka tafi bisa na'ura ne za ka hau ka yi aiki ba zana maka shi ne ba za a yi a ce ka rubuta a shi wannan hawa ne za ka yi ka yi to kun yi sun ce alhamdulillah mafi akasari an yi an kare duk abin da sun ka aka musu su ne aka kawo musu a can gurin hmm. Hamouchanou sont Isuma, Sumbada, le meilleur d'eux-mêmes, les enseignants, l'administration, en tout cas, tout le monde a apporté du sien et on a exécuté le programme à 100%. Le TD c'est un programme qu'on met en place pour maintenir les étudiants. Après l'exécution des volumes horaires, il ne faut pas laisser les, les étudiants eux-mêmes, on les garde. Mon et sous, on fait les TD, TD, ma ankari, comme ils sont dans la phase de révision. Parce que, alhamdulillah, moudena bangare. To akwai kaman wasu manya-manya makarantu da suka yi zancen wani wata matsala da suka samu wajen convocation kin kandida eh, kin su kunan ba ku da wata matsala. Lalle matsalar convocation an same ta. Eh. tunda abin da ya kawo matsalar eh, mai ake ce mishi ana tsakar tahiya sai aka kawo wani tsari tunda shi da BTS in aka tashi aje shi takardun ne ake kaiwa a aji. to an fara aje takardu sai daga baya ma'aikatar da take kula da tsarin shi jarabawan na BTS sai suka kawo wani sabon tsari da suka ce a'a yanzu ta yanar gizo-gizo ne ta internet za a mm, rinka yana cikin sauyin da aka kawo to shine yasa aka yi ta samun matsaloli muna cikin eh. makarantun da muka samu matsalolin nan amma gaskiya alhamdulillah eh, Da ma'aikata ke gare mu matasa tradition ga su wanda muke tare da su mhm. dare da rana akwai ma'aikacin mu guda wanda saboda wannan matsaloli wata ya yi kwana biyu wata ran karhe ɗaya wata ran karhe biyu yake zuwa gida yana cin ma'aikatan nan dan dai ya ga ya ciwo kan wannan matsaloli alhamdulillah yanzu dai nan inda nake magana babu ɗalibin mu wanda babu takardar shi wanda eh, ke bashi hanya convocation eh. in shi mun samu matsalar amma alhamdulillah mun ciwo kanta Okay. kun ji dai amana mana fada fira da muke nan gai tare da wa'annan ɗaliban wanda suke shirye-shiryen BTS cikin su su dai komai na tahiya daidai a wajen su kuma wannan bts kin kowanne cikin filar kin shi yana nan yana gwagwarmaya don ya gani ya ciwo kan wannan jarabawa yanzu kan mu ci gaba da wannan hira tamu za mu ji mu leƙa rubirkin wannan ta tusa alafada wannan gamin da ta zama ta 'yan mata da abin da ya shahi abin da ke iya birge 'yan mata ko abin da ya shahi rayuwarsu yau da kullum to cikin shi ne yau aka samu aka zo aka keɓe wani wani ɗan lokaci wanda za a musu rubrikin su specialman ta, ta kansu yanzu mu shurara et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce premier numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, appelez-moi Rookie. Dans la rubrique de cette semaine, on va lutter contre la graisse du ventre qui obsède tant les filles. Salut les filles, moi c'est Fanta avec moi. Ça ne transpirera plus des aisselles et ça sentira bon. Et moi c'est Bibi, troisième chroniqueuse de cette rubrique, on va parler cuisine, le sel qui gâche souvent nos sauces. On va y remédier dans cette rubrique. Comme la rubrique rose se veut un coin dédié à la femme et à la jeune fille, on va parler dans cet espace santé et bien-être d'une question devenue un véritable casse-tête pour les femmes. Comment se débarrasser de la graisse du ventre Selon le spécialiste en nutrition, Dr Abdrazak Bello, ce problème peut être lié à notre alimentation. Docteur, on vous écoute. Le premier aliment, c'est vraiment le produit sucré. Lorsque on consomme de de produits sucrés et les produits sucrés étant très riches en énergie, donc ça fait que tout de suite, on va être dans une situation de dépassement énergétique. Et deuxième aliment qui est également impliqué dans les dépôts de graisse, c'est la consommation d'aliments gras. À ce titre, tout ce qui concerne les, chocolats, tout ce qui concerne les beurre et la graisse qui est mauvaise, c'est vraiment la graisse qui, qui se trouve dans les produits d'origine animal, donc on appelle communément les acides gras saturés. Et le gros problème de cette catégorie de mauvaise graisse, c'est que ces graisses ont l'aptitude à se déposer rapidement au niveau des, organes. Vous le savez maintenant, mes chéris, évitez la consommation excessive des aliments sucrés et des aliments gras pour garder une belle silhouette comme la mienne. Ah, Rocky, franchement, on te remercie, on remercie le docteur. Ça, c'est un gros problème. Au fait, on voudrait bien enlever cette graisse, mais on peut pas s'empêcher de manger Fanta. Je te jure, moi, j'adore la bouffe. Tu vois, non Ça, c'est un gros problème. Fanta, on passe à toi à présent. T'as quoi pour nous aujourd'hui alors bien avec moi ce soir, on apprend à supprimer les mauvaises odeurs des aisselles surtout. L'aisselle, cette partie du corps qui est très en proie à la transpiration, mais pas de panique les filles aujourd'hui. Avec Juma Kadija, notre blogueuse beauté, nous allons apprendre à nous débarrasser naturellement de ces odeurs. Juma, tu dis quoi Pour toute personne qui a un problème de transpiration, malgré qu'elle applique toujours du déodorant, l'astuce en fait, c'est de chercher un citron. Tu frottes sous les aisselles après, tu prends ton bain. Après, maintenant, tu prends des feuilles de basilic, tu frottes sous les aisselles. Après, tu prends ton bain. Donc, les deux astuces-là sont valables. Sinon aussi, tu peux chercher de la bicarbonate de sodium qu'on vend en pharmacie. Tu fais une pâte, tu appliques sous les aisselles, tu attends quelques minutes. Après, tu prends ton bain. Donc, ces astuces vont aider à réduire la transpiration et ça va te, te, faire sentir, en fait, quand tu mets le déodorant, tu vas te sentir fraîche. Tu sais, Rabi, il y, a des, y a des périodes de l'année où il y a des personnes, tu n'as vraiment pas envie de les approcher tellement. Ah, ça sent pas bon, hein? Ah oui, je te le fais pas dire. Hmm. Ça, là, il faut vraiment emprunter les transports en commun pour vivre ça là-même. Au fait, ce qui est bien avec cette astuce, c'est que c'est le citron, euh, ces ingrédients, on les trouve dans la cuisine. Ouais, et partout. Et partout, voilà. À moindre coût. Voilà, vraiment, c'est super intéressant. Ben, cette fois-ci, on va passer à la cuisine. Bien sûr, il faut se remplir le ventre. C'est les grandes vacances, le moment idéal pour nos jeunes cordons bleus de montrer leur talent à leurs famille et amis. Mais juste à côté, il y a le sel, cet ingrédient qui peut tout gâcher si on ne le maîtrise pas. Je m'appelle cette blogueuse qui nous accompagne, merci à toi. Elle est blogueuse culinaire également et partage avec nous deux astuces. La deuxième est pour le moins surprenante. On l'écoute. Cette astuce-là est très pratique. C'est par exemple quand tu finis de faire ton plat et que tu te rends compte que c'est trop salé. En ce moment, il faut chercher de la pomme de terre, tu découpes et tu, jettes dedans. La pomme de terre là va venir aspirer en fait tout ce qui est sel qui se trouve dans la sauce. Et il y en a qui disent aussi on peut mettre des morceaux de charbon dans la sauce. Moi, je l'ai expérimenté. Et quand j'ai retiré le charbon, j'ai goûté le charbon, j'ai essayé de sucer. Et le charbon était trop salé. Donc, ça veut dire que ça aspirait tout ce qui est sel qui se trouve dans la sauce. Ok, je ne sais pas si euh, toi tu as un problème avec le sel aussi. En tout cas, merci à Dieu Makadija parce que moi quand je cuisine, c'est le sel. Mon problème, c'est le sel. Ben oui. enfin, tu as le charbon. Tu te rends compte Mais franchement, moi, je savais pas. Toi, tu l'as déjà essayé Cette astuce du Je viens juste de l'apprendre. Elle est surprenante, cette, euh, cette astuce. Eh bien, les amis, c'est la fin de ce premier numéro de la rubrique rose du studio Kalangu. On va se dire au revoir avec Keta de Safiat. À demain sur l'émission Tous à la Fala, français Zarma. kamata mu c'était la rubrique rose de l'émission de Salafada. On revient aujourd'hui à l'Institut supérieur des hautes études commerciales, Il fait que Dunyami qui nous accueille aujourd'hui. On parle du BTS d'État, ce brevet de technicien supérieur d'État qui va ouvrir les portes à ces jeunes au monde du travail. On a son sang, comment, dans quel état d'esprit ils vont attaquer euh, ces examens. Eh, zainab zan zo ranki akwai abin da yake dan tada miki hankali cikin tsarin wannan jarabawar da zai zo wadda za a fara gaskiya dai babu sosai amma akwai dai tsoro tsoro kadan hakan ga mm. tunda abubuwan dai sun muna yawa muna kokarin mu dai kenan <laughs> kaman wannan kin eprov eh, eh, kin suna da yawa wanda ake kawo muku mm. sa stress sample eh muna da mm. apipre 14 ne ko ko 13 ina gani okay wajen goma sha uku eh za ku yi za ku yi ta karawa jarabawa kala kala mm. goma sha uku eh. a nan gaba mm, a nan gaba mardi za fara <laughs> sai an kama jiki eh, gaskiya kai kuma mama bashir ita ta ce ita yawan yawan abin ne testikin ne ya wata wannan dai ga gani na du exercise in duka babu wanda ba mu yi ba sai dai yawa gare su to kawai dan tsoron da mutum zai shi shine koni eh, ka kama baka san wani ka wani fannin ne za a ciro a kawo maka eh. mai bancin shi oh, babu wata matsala mun yi a kowane iri kawai an stress in nan dai ne ba a rasa shi mai mm. saba ale da alhamdulillah muna kokarin mu dai Ok, sai sai est, c'est ok pour toi aussi, Raina? <laughs> Yi magana cikin micro waje. Ke ma sai haduwar gaba. Haduwar gaba da bamu san irin abubuwan da za a kawo mana ba. Mm. Amma sava tunda mun gani duk yawancin eprovovi mun yi trete insu. yawancin eprovovi les épreuves anterior. Ah, a kamar mm, <laughs> <laughs> eh, na shekarun da suka wuce sai kuma yadda su kuyi aiki bisa kansu don ku gaggane yawanci duk ka wurin da aka zo dai sai oke kawai sai a bige ta to za a bige ta nan zai ta suke to yanzu ina so in sani ku masu taimaka musu kai ma ka shiga ko cikin fada sai ka gaya wa sunan ka ku masu taimaka musu a ganin ku ina ne abin da Eh, kuke gani yake iya cije ma ɗaliban naku cikin wannan goma sha tara da za a kawo musu wannan testikin a ina ne kuke ganin abin yake iya cije musu ga mu sunanka ni sunana umar hassan abdulmajid abdulmajid ina da ka eh, ni ma an kadirar ne amma ko da haka nan kuma ina aiki na wurin mm. tare da wanga gonfakin da shi ma ne shafki na wanda ya yi magana da zonga ga monsieur ani monsieur ani ba eh, to an tuka ni par rapport abun da kun ce hausan da sai a hankali amma an yi ta haka nan mm. surtout wurin etude de cas nan matsalar da adda kwai shine ke par exemple akwai wasu seizure da tanne suke etude de cas in sun shiga tun wita sai wajen 14 za su ida epreuve guda kun gani to lokaci yana an fait lokacin da an ka ba da yana da tsawo kuma exercise kin da ake kawowa da bitud shi ma exercise kin da yawa gare su mm. to matsalolin da ake samu biyu ne wa'ansu sai ku ga ne kom shi ne ya yi kofisiyan da kowane matiya sai ku ga yara hankalinsu duka su maida shi bisa kan etude ka su bar wa'ancan wannan irar ne da ake samu dan a hmm. nepa sai ma an samu yaran da etude ka a cikin 100 sun ka samu cikin 100 eh, hausa sai a hankali Ah, Gomiatara. Et à Tikin, comment à Kofi coefficient ne, en eh. fait, dans le sang, il y en a des gens qui arrivent à avoir 96 sur 100. Mais c'est qu'on gagne eh. Tikin en matière 2, 5, 3. Dans ce je ah, suis négligé étude des cas. Eh. Qu'on gagne matsalolin da ake samu kenan. Dan yana ba su tsoro sun ga kamar shine point. Sai su concentré, concentrate bisa étude des cas sai su bar sauran can. Okay. To kun gani en fait shi dai ne ke abun ga kamar matsalolin da ake ake euh, samu. Hmm. Amma de toutes les façons, tout le début d'année, mon attaque à en fait, euh, il faut s'attaquer à tout. Il ne faut pas se focaliser seulement sur l'étude des cas. Oui, il ne faut pas euh, prioriser. en fait, on sait jamais la concentration et aussi vraiment, il faut attaquer tout, en fait. Ok, monsieur Yacouba euh, vos, vos, étudiants parlent du stress, le stress qui revient. Euh, pour eux et ceux qui nous écoutent, selon vous, comment ils doivent mieux gérer leur stress et euh, pouvoir se concentrer sur l'essentiel. D'accord, merci beaucoup. Euh, mhm. Moi, j'allais commencer à leur proposer, étant donné qu'ils ont suivi le programme début jusqu'à la fin, on les a accompagnés avec des TD. Euh, le comportement adopté face à chaque épreuve, c'est ce qui a été étudié qu'on les donne en exercice euh, pour chaque épreuve, moi j'allais proposer à ce que l'étudiant prenne son mal en patience, il lit tout le contenu, parce qu'il y a un temps qui a été donné, il y a plusieurs exercices qui ont été donnés dans le sujet, tu lis tous les exercices du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. après la lecture, maintenant tu fais le choix par rapport à l'exercice que tu as mieux compris. C'est par là que tu commences. Et tu peux répartir ton temps en fonction du nombre d'exercices donnés. Si c'est 6 heures et qu'on t'a donné 3 exercices, normalement ça fait 2 heures par exercice. Maintenant, compte tenu euh, de la réalité de chaque exercice, ça peut prendre du temps que tu as prévu, comme ça peut diminuer. Mais je commence toujours par l'exercice que j'ai compris le mieux. Il n'est pas dit qu'il faut forcément achever l'exercice. Je traite les questions que j'ai compris. Maintenant, je peux quitter l'exercice là, passer un autre exercice, aller encore traiter les questions auxquelles je comprends et je passe comme ça aux différents exercices pour pouvoir réunir euh, le maximum de, points par rapport à la note suivante. Donc, euh, face à chaque preuve, il n'est pas dit que l'étudiant doit forcément avoir 20 sur 20 Je fais le choix en fonction de ma compréhension par rapport à chaque exercice. Ça, c'est pour le comportement à adopter face à chaque épreuve. Chaque épreuve. kenan inda wannan jaraba in zaka shiganta dai ka fara da inda ka hi gane ma duk inda ka hi metrize da shi ya kamata ka fara mhm. ka ka watsu ka yi ka bata lokacinka bisa kan abun da baka gane ma baka je direct inda ka gane kuma ka fara da shi in ya so sannu sannu sannu sannu ka sabka mhm. amma aje hankali wannan mushin shi da ya ce su aje hankalin su <laughs> c'est de ça il s'agit euh, si je peux ajouter quelque chose eh, euh, pour les préparatifs de la veille normalement chaque étudiant doit préparer le lendemain préparer ses matériels sa de convocation sa carte mhm. avant le lendemain parce que le lendemain on est pressé pour se rendre au centre donc quand le, le matériel est préparé dans un dans un petit sac. Le lendemain, tu prends le sac tu te rends au centre. Parce que on constate qu'au centre, l'étudiant a oublié sa carte ou a oublié sa convocation. Ça devient un problème pour avoir accès à la salle. Et là, mhm. directement, tu es touché. De façon psychologique. Mais si tout a été préparé la veille, tu prends juste, tu y vas. Et je conseille aussi peut-être qu'il faut multiplier les photocopies des convocations à la voix partout avant de se rendre euh, au lieu de, la composition pour, pour le BTS. Voilà par rapport à la, ce que je peux dire pour les préparatifs. Hmm. Maintenant, pour le manger, il n'est pas trop conseillé de manger quelque chose huilé le matin. ça fatigue un peu et ça rend le cerveau un peu lourd. Tu prends peut-être quelque chose sucré, bien un peu de la bouillie avec euh, du sucre. Euh, tu te rends. Et jusqu'à midi, comme ça, tu peux manger tout ce que tu veux. Sinon, le matin, quand on prend la pâte le matin pour aller, <laughs> on est trop lourd. on est trop lourd. Déjà à 10 heures, tu as, envie de dormir. Tu ce qui ne te rend pas la tâche facile. Merci beaucoup. Ok. da um, wani karti da ka da wannan convocation kin naka shi ma haka je kai photocopy kai ba daya ba ka aji tare da kai kan ka kimtsa su kan ka tahi ba ya da sai ba za ka neman wannan takarda kan wannan takarda kuma ka je cikin santar kin hallo eh, ka kasa shiga cikin salki naka paske ka mance wani abu kuma yayi zancen masu cin wannan zaza he tun da sahi aji ana gengedi bisa april yace ka sha dan kunun ka dan sukari ya isa ka je ka ka doki yauni ka dora cikin ciki kuma hallo ka zo kana gengedi gaban april

vous envoyez nos bonnes vibes <laughs> de la Fada. Euh, sur vos épreuves là, vous nous proposez une musique qui vous, qui vous parle. Quelqu'un me propose une musique. <laughs> Reina, <laughs> mais qu'est-ce que ça Dadou. Ambassadeur. Ah oui, ambassadeur. Tu à ça Oui. Bon, là, là, c'est vraiment pour détendre tout le monde. Là, là, Reina, tu as proposé quelque chose qui va déstresser euh, tous tes camarades candidats. Mais voilà, on va écouter l'ambassadeur. Euh, L'Africaine est dans, dans l'excès. Et on se reprend juste après. Bobangate, te naza nzela prince dage ambassadeur ya oh, merci nzambe olongoli ngai narangea bandoki oyo merci nzambe okaboli ngai narangea bapeti oyo nzoto nanga liyebo soki bosiminga nakopanzana nzoto nanga liyebo soki bosiminga mm, katanga na gauche katanga na droite je m'appelle Tadjou, je suis l'enfant du pays. Moi, Madalide, avec Jumna Danana, j'ai chanté la musique avant d'écrire. Je suis devenu berceuse avant d'aller dormir. Tout le monde sait, Africain est dans l'excès. Ah, tout le monde sait, abuse au mariage de ton frère. Ah, le fils de ma mère.

Samuel est au fils. Euh, euh, les, candidats se détendent, pas dans l'excès. Hein. On se reprend sur cette fois là Aujourd'hui, il s'agit du BTS d'État. Comment ces étudiants qui sont avec nous euh, se préparent pour cet examen Cours candidat, que conseillez vous à, vos autres frères et sœurs qui sont de partout à l'intérieur du pays Misaku Basu comme conseil. Sunana Mohamed Ali. Attends, Mohamed Ali. to gaskiya wata shawara zaka ba su eh, abokan naka abun zan ce musu eh, yanzu yanzu ya kamata na kowane talibi ya bari da sisma ya kamata ya huta dan kansu ya huta ya zan revision abun da rubuta abun abun da aka rubuta shekara biyu na saboda beta su sur zan to tu as fait deux ans sur les tables kenan cours da kuka yi et le TD qu'on avait kenan kamata yanzu su nasu su koma jira su yi revision ba kullum kana exercice ba kullum kana exercice kenan kana ta kana ta tarawa ba kana revise wannan babu kyau Inshallah to akwai wanda ke da wata shawara Zainab kina da wata shawara da zaki ba kin yan uwan naki wanda suke za su shiga cikin jarba tare da ke to abin da hudi dai gaskiya ne ni ma zan kara kaɗan dai mhm. bisan nashi yana da gaskiya ya ce yanzu dai ya isa haka kan mutane mm. su ringa yin tede da yawa ko kuma ana ta yawan exercise yana da gaskiya suke sauran kwana kudu ne mutum ya ringa revision abun da ya yi a prandar ya dai da ai ta karawa tunda na farkon ma ba ɗauke shi da kyau ba ka ta a kara wani kuma ka abin yayi yawa cikin survey ka ka abubuwa su ta takura maka okay eh. to kun ji da su guda zan yi. Aha to ina jin To akwai abun da ya kamata a ce ɗalibai sun ya kamata su yi nazari sama mhm, kan Suleiman. Su rage gaggawa. Hmm? Su rage gaggawa. a ah, gaugawa ko. Eh wasu eh, yanzu suna iya ta hasali su ga sun yi abu class sai su ce sun iya shi. Hmm. Sai su yi gaggawa su kare sai su mance wani abu kenan in mance kenan diku yanzu da ka hito ka ba da kofi kun babu gyara ta banci kenan yanzu su dai rage gaggawa ko ka iya abu ka kwantar da hankalinka ka yi shi cikin a natse ka yi shi yahi yahi gaggawa nan da suke to kuma kun ji wannan shawara ita ma eh, da ma za ta taimaki dalibai da sun ce dai a rage gauga kuma a bar zaben eh, maciyar a ce wannan ce za mu wannan za mu ba karhi wa'annan ba su da yauni ko ba su da fuwan da yawa aka ce a hwasa a nutsu ai abin da ya kamata yanzu kan yi ban kwana kwata-kwata da su ba fasa kawana shirin na français hausa zama ba olivier dama ya zauna da kronikin shi et on se dit officiellement au revoir merci et toi tu vas bien pour nous aujourd'hui ah, bonjour les amis comment allez-vous Écoutez, moi aussi je vais très bien. Chers amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Ce soir dans la chronique, Rabi, on va parler d'identité. Vous savez, on grandit avec les réseaux sociaux. Et je pense que nos enfants qui vont naître ou bien qui sont en train de naître déjà euh, vont être euh, ceux qui seront un peu nos héritiers. Et parmi les héritages qu'on va leur laisser, probablement, il va y rester nos comptes Facebook, nos pages Twitter, nos comptes LinkedIn et tout. C'est pour cela, ce soir, j'ai envie de parler de l'identité. Auparavant, l'identité d'une personne se relie seulement à sa culture, à sa langue, à sa religion, à son habillement. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une identité digitale. C'est-à-dire, il y a Olivier de la vraie vie et Olivier des réseaux sociaux. Il y a. C'est quoi votre nom Vous êtes sur les réseaux sociaux Justement. Vous êtes sur les réseaux sociaux Oui. Et vous, c'est quoi votre nom Farida. Vous êtes sur les réseaux sociaux Oui. Qui n'est pas sur les réseaux sociaux finalement ici Personne ici. <laughs> Donc, vous voyez, aujourd'hui, un des points communs qui nous relie, nous, ceux et celles de cette génération, c'est aussi les réseaux sociaux. Du coup, les réseaux sociaux sont indéniablement pour nous une identité commune. Et cette identité, chers amis, ce soir, j'aimerais bien que on l'entretienne. Parce que l'objet de cette chronique, c'est que j'ai fait un constat. Les gens disent, c'est pas, c'est pas ce que je fais sur les réseaux sociaux qui détermine ce que je suis dans la vraie vie. Mais grosse erreur. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a et on ne peut que refléter ce qu'on est. Qu'on soit bon ou mauvais, gentil ou méchant, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux reste ancré en nous. C'est comme moi aujourd'hui, je joue le bad boy sur les réseaux sociaux et j'ai envie de faire croire aux gens que dans la vraie vie, je suis un garçon bien. Même si c'est le cas, ceux qui auront la chance de me rencontrer le diront, mais ceux qui n'auront jamais la chance de me rencontrer garderont une seule identité de moi et ça sera mon identité digitale. Pour conclure cette euh, chronique, j'aimerais rappeler à tous ceux et celles qui nous écoutent que l'identité digitale est désormais plus importante que notre vraie identité à nous. L'identité digitale dicte ce que nous sommes parce que on est libre de publier ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous le voulons. Mais personne n'a choisi d'être Aoussa ou Peul, d'être euh, Zarma ou Tamashek, tout simplement parce que ça, c'est un héritage de nos parents. Mais aujourd'hui, je suis responsable de ce que je publie, vous êtes responsable de ce que vous publiez et cette identité, vous l'avez choisie. Et pour ceux et celles qui nous ont écoutés, soignez votre identité car quoi qu'on dise, quoi qu'on veut, notre identité digitale nous suit partout et notre identité digitale nous représente là où nous ne sommes pas parce que c'est à travers les écrans et c'est géré par des algorithmes. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci pour cette chronique. Nous sommes à la fin de cette émission Frontière Ossa. Nous étions avec les étudiants de euh, l'Institut privé de hautes études euh, commerciales, fait qui nous a accueillis aujourd'hui. Ils sont prêts, ils sont d'attaque. Ces étudiants, BTS Kindabana, ils m'ont promis de faire quelque chose Allah To, shirin za ku c'est quoi les pièges à éviter. On a commencé à les effleurer, mais vous allez aller en profondeur avec lui. On va se dire euh, bye bye et bonne chance à tous. <laughs>